Les alliances euh, politiques, euh, il faut les comprendre comme étant une organisation, qu'elle soit interne ou externe, au partis politiques, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, à l'occurrence ici, en vue de conquérir et de gérer le pouvoir lorsque on se rend à l'évidence que par soi-même et à seul, on ne peut pas conquérir et gérer le pouvoir d'État. Donc, elles se forment euh, soit sur la base de sensibilité en termes idéologiques ou pour des questions de convenance en termes stratégiques ou en termes d'enjeux. Donc, euh, elles se forme très souvent à l'occasion de processus électoraux ou dans le cadre de la gestion du gouvernement en tant que tel. Et ça se voit surtout au niveau du Parlement lorsque l'enjeu est d'obtenir une certaine majorité pour faire passer les politiques ou en tout cas euh, le programme du gouvernement qui est en place. Ces alliances-là doivent toujours être constituées autour des valeurs, autour des principes, autour des projets de société ou d'idéologie, mais dans la pratique, elles se constituent pour atteindre des objectifs euh, fondamentaux, donc euh, qui sont liés aux ambitions des partis eux-mêmes qui les constituent. En vérité, du point de vue du texte, il y a une certaine liberté, puisque quand vous prenez l'article 9 de l'autre euh, constitution, il a dit que dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la présente euh, constitution, les partis politiques, les groupements de partis politiques, les syndicats et autres associations peuvent se constituer librement. Donc, l'alliance, par essence, c'est une association des partis politiques, donc un regroupement d'acteurs politiques autour d'un enjeu, autour d'un projet, autour d'un programme principe. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue légal, en tout cas, rien euh, n'empêche à ce que des partis politiques donc euh, se constituent en groupement ou en alliance euh, puisque c'est le mot usité ici pour parvenir à conquérir ou à gérer le pouvoir d'État. cependant du point de vue éthique, du point de vue de la sociologie politique, le professeur l'a soulevé tout à l'heure, il était souhaitable à ce que les partis ayant euh, la même idéologie ou en tout cas qui professent euh, les mêmes principes politiques et puissent euh, se retrouver autour d'un projet de société commun euh, qu'ils défendent ou d'un programme politique, donc qu'ils défendent et qu'ils euh, promettent de pouvoir mettre en œuvre une fois le pouvoir conquis. Mais comme euh, vous l'avez aussi remarqué, à l'heure actuelle, dans nos pays africains et même ailleurs, de plus en plus, les partis ne sont pas très idéologiques. En tout cas, souvent, que ce soit dans leur gouvernance, que dans les alliances qu'ils tissent beaucoup même de politologues parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle le catch-all party, c'est-à-dire les partis attrape-tout, mhm. et dans lesquels vous trouvez des gens de sensibilité libérale, des gens de sensibilité communiste, des gens de sensibilité socialiste, des gens euh, de, sensibilité diverses en tout cas, mhm. qui se regroupent dans les partis politiques. Et ces mêmes types d'alliage est remarqué lorsqu'il s'agit de constituer les alliances, donc euh, en termes de, de coalition des partis politiques pour conquérir le pouvoir euh, et pouvoir les, les gérer. Mais euh, ce n'est pas la conscience d'alliance en tant que telle qui construit le problème, puisque très souvent, elles sont formées autour des enjeux majeurs, mhm. comme l'a soulevé tout à l'heure le professeur Agi. Et en vérité, la première préoccupation, mhm. c'est d'abord conquérir le pouvoir. Et soit on est en face d'un pouvoir fort qui aura fait déjà des années au pouvoir, il faut le démanteler, ou bien alors on la constitue pour consolider le pouvoir qu'on a déjà. Mhm. Donc, dans l'un comme dans l'autre cas, la lutte est très âpre. Mhm. Et malheureusement, au lieu que ça se fasse euh, substantiellement sur la base d'engagement euh, donc idéologique, d'un engagement de faire le bonheur aux, aux citoyens, d'un engagement en tout cas de venir avec un projet de société solide qui assure à la fois la sécurité, le bien-être pour tous et l'égalité des citoyens devant la loi et devant les services publics. La préoccupation euh, très souvent et même la motivation euh, par laquelle ils parviennent à mobiliser donc c'est euh, ces, ces parties appendices là ou c'est parties d'accompagnement, c'est autour des partages. Hein, donc on regarde euh, dans le pays, on va faire combien de ministres Récemment, vous avez vu, on a eu dans les, euh, plus de 40 portefeuilles ministériels. Tout ça là parce qu'il faut satisfaire chacun des alliés. Hein? Et, après, il faut regarder, on a combien d'offices, combien de sociétés d'État, combien de directions générales, combien de marchés. Bon, euh, évidemment, euh, nonobstant les avantages euh, qui sont évoqués tout à l'heure, évidemment, euh, les, les insuffisances ou les inconvénients de ces alliances, c'est que souvent, elles pervertissent, en tout cas, les mœurs politiques en en démontrant que, en fait, les partis peuvent se soustraire de leur engagement de défendre un projet de société précis sur la base duquel leurs adhérents ont euh, ont eu à soutenir le parti, ont eu à voter pour le parti. une, promesse en fait rompue, puisque très souvent, à partir de certaines alliances, les militants sont déboussolés. Je vous donne euh, l'exemple de la première alliance qu'il y a eu euh, donc euh, suite au départ du PNDS de l'AFC où ils ont constitué la nouvelle majorité avec le MNCD. Et beaucoup des militants s'étaient retrouvés désemparés parce qu'ils ne comprenaient pas le MNSD qu'ils étaient eh, en train de critiquer pendant tout le processus. Et ils l'ont combattu. on est parti aux, élections de, de 93. Et maintenant, subitement, en 95, ils disent que c'est avec lui qu'ils vont constituer un gouvernement juste pour pouvoir régler les choses et <laughs> aux autres camarades <laughs> en fait de l'AFC. Donc vous voyez, ça, ça perturbe en fait euh, le militant parce que lui, quand il adhère au parti politique, il adhère soit à la social-démocratie, ou il adhère au socialisme, ou il adhère au communisme, ou il adhère au libéralisme, etc., etc. Maintenant, quand il voit comment euh, les recompositions se font. Il est déboussolé. Il s'est dit, mais finalement, cette affaire-là, ce n'est plus une affaire d'idéologie, ce n'est plus une affaire de principe, c'est même plus une affaire euh, d'intégrité politique. Et donc, bon, euh, puisque c'est ainsi, moi-même, en tant que militant, désormais, et donc, je j'irai dans le sens de mes propres intérêts. Et donc, c'est pour cela, vous allez voir, quelqu'un, il est dans un parti défini, il, va soutenir le candidat d'un autre parti qui est lui lié à lui par des liens de parenté ou par des liens d'intérêt euh, particulier ou par des liens en fait de promesses. Et par le passé, ça n'existait pas, puisque vous, si vous vous rappelez, dans l'histoire entre le PPN-RDA et les Sawaba, comment la lutte était vraiment euh, assez âpre. et, parfois, vous allez voir dans la même famille, et les uns sont du PPNRDA, d'autres sont des Sahaba. Et chacun tient mordicus à l'opinion à laquelle il a adhéré. Et les gens se défendaient. Mais à partir de 95, 96, quand il y a eu cette alliance-là, beaucoup s'étaient déboussolés et les gens se sont même dit, mais pourquoi les gens de Giratawa se sont laissés mourir à cause eh, d'une adhésion à un parti politique comme vous le savez, à Gelatawa, il y a eu des militants de Sawaba qui étaient enfermés hein, dans une cellule. ils mouraient un à un comme des mouches. Hein. Et ils, refusaient en fait de d'adhérer au PPN RDA d'alors. Parce que simplement, ils ont juré fidélité à leur parti politique. Ces genres de militants-là, aujourd'hui, ils n'existent plus. Donc, finalement, ces alliances-là, c'est la conséquence qu'il donne en termes de perversion de mœurs politiques. Deuxième inconvénient des alliances, c'est dans la mise en œuvre du projet ou de programme politique. Et puisque vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas les mêmes types de militants, ils n'ont pas les mêmes orientations, donc bon, finalement, il n'y a que les intérêts qui sont compréhensibles par chacun les visions sont mises euh, de, de, côté parce que vous ne pouvez pas expliquer les visions et puis les... Non, dites simplement qu'est-ce que l'un gagne et qu'est-ce que l'autre gagne et finalement vous vous entendez sur ça qui est le minimum sur la base duquel vous allez fonctionner. Donc ça, c'est un inconvénient. La politique devient alors un marché, devient quelque chose euh, sur lequel on attend une rémunération ou un retour sur investissement ou en tout cas une rétribution immédiate par rapport à soi-même, alors que, en principe, c'est un engagement volontariste, désintéressé, autour des idéaux, des principes et des projets de société auxquels on croit. Maintenant, le troisième et le dernier inconvénient majeur, en tout cas, qu'on voit dans les alliances, c'est eh, du point de vue de la pratique. Vous allez avoir dans des administrations des gens provenant de, des différents partis politiques chacun s'est prévalant d'une légitimité. Donc vous pouvez avoir un subordonné à vous, c'est-à-dire un collaborateur qui doit normalement vous rendre compte, mais il rend compte plutôt au leader de son parti politique. Donc il peut arriver que vous soyez un ministre dans un ministère et que vous ne parveniez pas à gérer votre propre secrétaire général ou un DG parce que lui aussi, il est venu, euh, disons, à ces postes-là par un processus de partage donc euh, qui a attribué à son parti ces postes-là. Donc il se sent pas du tout redevable et comptable devant vous. Donc ça, ça crée quand même un dysfonctionnement et ce dysfonctionnement est réel. Et enfin, vous avez vu la, logique de partage que les, systèmes d'alliance créent. Et malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, il y a lieu simplement euh, que les, politologues pensent euh, vraiment dans quelle mesure ils vont aider les partis politiques à être un peu plus éthiques dans ce qu'ils font pour que la morale sociale ne se trouve pas galvaudée et que finalement euh, tout un chacun pense ou penserait que en fait la politique c'est juste euh, un jeu de partage de gâteaux entre les adhérents.